Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum Le programme se poursuit. Restez avec nous pour les 45 minutes à venir. Vous êtes à l'écoute du studio Kalangu. Il est 18h15 minutes et 18 minutes, pardon. Le forum du studio Kalangu. c'est tous les soirs du lundi au vendredi. Et pour ce soir, nous revenons sur ce qui a constitué l'actualité de la semaine. La mairesse de Birningaore, Asma Koseti, a été destituée hier par une majorité de ses collègues. La motion de défiance avait été déposée par un groupe de conseillers il y a une semaine. Information donnée par Alpha Abdul Wahab Bouba, conseiller principal terroristes et huit complices, dont le technicien du commando et quatre chefs de village aux arrêts. C'est le bilan des arrestations perpétrées suite à l'attaque de la localité de Bani Bangou, le point dans ce forum. La victoire de Donald Trump, on en parle encore on en parle encore. Hier, vous avez entendu l'opposition, les non-affiliés et la société civile nigérienne dans notre édition. Aujourd'hui, nous vous proposons celle de la mouvance au pouvoir. Par rapport toujours à cette élection du républicain Donald Trump à la présidence des États-Unis, les opérateurs économiques, comme bien d'autres, s'interrogent sur la suite de leurs affaires à travers la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique vous les entendrez. Enfin, l'issue de la visite de prise de contact il y a deux semaines de cela entre le ministre des Finances, et le personnel de la Direction générale des impôts, le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts a expliqué que l'interventionnisme politique et l'insuffisance de moyens constituent aujourd'hui le plus grand dénominateur commun pour les agents de l'administration des impôts, réaction du coordonnateur de la Voix des s'envoie voir Sidou dans cette édition. Mesdames, bonsoir et bienvenue. La mairesse de Gaoré, Asmaou Kosseti, a été destituée hier par une majorité de ses collègues. La motion de défiance avait été déposée par un groupe de conseillers il y a une semaine de cela. Information donnée par Alpha Abdelwahi Bouba, conseiller municipal, qui précise que cette motion avait été déposée une première fois il y a trois ans et reconduite depuis. Écoutons-le. Oui, la motion a été déposée il y a, quelques jours et cette motion a été débattue hier. La motion a emporté la dame, oui. Quels sont les motifs euh, pour lesquels euh, elle a été débarquée je dois préciser, il y a de cela quelques temps, parce que je travaille aussi sous sous coupe pendant 30 mois. Et il y avait un certain nombre de remous qui ont commencé depuis le 5 août 2013, date à laquelle euh, l'adjoint au maire, M. Adam Diofo, présentement chef de cabinet du ministre des Finances, avait rendu sa démission. Dans sa correspondance de démission, ce qui l'a motivé à démissionner, dans un premier temps, il a parlé de la mauvaise collaboration du maire, le comportement rétractaire du maire, conditions du fonctionnement de l'administration et l'appel des conseils municipaux demandant le départ de l'exécutif. En effet, tout a commencé en 2013, date à laquelle les conseils se sont retrouvés à Birmingham pour pouvoir euh, euh, rehausser l'image de la boîte en demandant à l'exécutif de démissionner. Ici, quand on parle de l'exécutif, c'est le maire et son adjoint. Et voilà que la mairesse euh, ne voulait pas partir. le 5 août, lui, Adam Diopho, a accepté de démissionner suite à l'appel des, des conseillers. Et une journée plus tard, un certain nombre de conseillers ont déposé une motion de défiance au maire et cette motion n'a pas été discutée et n'a pas été votée. Et dans la motion de défiance, c'était le 6 août 2013, ils avaient pour motif le dysfonctionnement de l'administration municipale, le non-respect des 45% du budget prévu pour l'investissement, la mauvaise gestion de l'aide offerte dans le cadre des inondations de l'année 2012, la mauvaise répartition des semences destinées à la commune urbaine de Berlingauré, le non-respect de la, de la tenue des sessions ordinaires du Conseil, l'absence de rapport pour l'année 2012 et l'absence répétée du territoire communal sans motif valable, sans prévenir qui que ça soit. Suite à ça, la motion n'a pas été euh, votée, n'a pas été aussi discutée. Maintenant, pour revenir un peu par rapport à un certain nombre de particulièrement le dysfonctionnement de l'administration, euh, il y avait euh, un rapport rédigé par le préfet du département de Boboy le 27 et dans ce rapport, le préfet en personne a reconnu tout ce qui est insuffisant, ce qui a été noté dans la motion de défiance du 6 euh, passé et le rapport dit ceci, du déroulement de la crise. Le mardi 6 août 2013, un groupe de 10 conseillers sur les 12 qui constituent le conseil communal avait déposé une motion de défiance à l'encontre de Madame le maire Asma Seti pour motivant dysfonctionnement de l'administration municipale, non-respect des 45% du budget prévu pour l'investissement la mauvaise gestion de l'aide offerte dans le cadre des inondations de 2012, la mauvaise répartition des semences destinées à la communauté de Birni en 2013, non-respect de la tenue des sessions ordinaires du Conseil, l'absence de rapport pour l'année 2012, l'absence répétée du territoire communal sans motif valable, sans prévenir qui que ce soit. Euh, vous parlez de 2013. Nous sommes euh, en 2016, ça fait trois ans. Selon vous, pourquoi cette euh, motion a pris tellement de temps mais la raison est très simple. La mairesse était cotée au plus haut niveau. Les gens ne voulaient pas assez qu'elle parte, c'est tout. On ne va pas passer par quatre chemins pour se le dire. Parce qu'il y a une disposition de la loi qui que quand le conseil perd les trois quarts des membres qui le composent, on doit procéder à des élections partielle pour reconstituer le conseil. C'est une disposition de la loi, ok Et le 6, le août 2013, un collectif de quatre conseillers élus et leurs adjoints ont déposé euh, leur démission et de 2013 à nos jours, le Conseil n'a pas été reconstitué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement hier Non, je, je, dis, hein, par rapport à, par rapport à, à la motion d'hier, je n'ai vraiment pas beaucoup d'informations là-dedans. déjà que la boîte. ce qui est sûr, c'est elle a été débarquée. Est-ce que vous pensez que ce serait pour les mêmes raisons Est-ce que ces raisons de, euh, de 2013 pourraient euh, valoir aujourd'hui bien, bien sûr, mais les raisons sont toujours là, les raisons sont toujours valables. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est que elle a été dégoûtée par le pouvoir central, c'est tout. C'est tout. Elle avait le, soutien d'un certain nombre d'hommes politiques qui l'ont soutenue. Mais maintenant, elle a perdu la confiance de ces hommes politiques. Elle doit rentrer, c'est tout. On l'a gardée pour des raisons Comment euh, est l'ambiance au niveau de, de la mairie l'ambiance, l'ambiance est, de taille. C'est même infesté aujourd'hui au niveau de la commune. Les visages sont, illuminés, ça c'est très clair. Vous allez voir l'ambiance qui règne. Tout le monde est content. Tout le monde est content parce qu'elle eh, elle avait opprimé la boîte. C'est une gestion opaque, ça, a été dit dans le rapport du représentant de l'État, mais on ne voulait pas entendre tout ça. Maintenant, si vraiment les autorités veulent revenir à des meilleurs sentiments, Ok, les textes sont, très clairs. La, chose la plus importante qu'il veut faire, c'est le respect des textes. Si on avait respecté ces textes, on n'allait vraiment pas être dans cette situation-là. Une commune, la commune de Birning aurait été une commune de référence sur le territoire, euh, euh, national. On le savait, mais aujourd'hui, il faut voir. Une commune viennent avec des arriérés ça c'est impensable. Vous venez d'entendre Alpha Abdoulouahib Bouba, conseiller municipal. Je l'annonçais dans les titres, 21 terroristes, 8 complices, dont le technicien du commando et 4 chefs de village aux arrêts. C'est le bilan des arrestations perpétrées suite à l'attaque de la localité de Bani Bangou. Le point avec le préfet Ibrahim Mali qui les joint au téléphone par Abdoulaye Mamoudou. Par rapport à la situation actuelle, je vous dis que tout est sous contrôle et vraiment il y a eu des arrestations de des terroristes qui étaient restés euh, après la débandade des autres. Donc ils ont été pris avec euh, des munitions et des armements selon les forces de défense et de sécurité qui les ont traqués et ils étaient retrouvés pour certains dans des maisons abandonnées à Banibangou, pour certains dans des maisons de complices et ce sont ces complices que vous avez vus. Au total, nous avons eu 21 terroristes, donc Genshi et je crois bien 8 autres complices aussi euh, impliqués dans ça. Oui, parmi les complices, euh, semble-t-il qu'il y a des chefs de village et une femme. Qu'est-ce qu'on reproche aux chefs de village Absolument, il y a de chefs de village. Combien euh, Il y a quatre, dont trois de Banibango, un du département de Abala. Ce sont des gens qui étaient déjà suspectés d'être de connivence avec euh, les terroristes. Et par quelle magie, euh, ils sont arrivés euh, donc ce jour-là à Banibangou, tous étaient retrouvés à Banibangou. Et vraiment, de par le renseignement que nous avons, ils sont venus un jour de marché et ils ont passé la nuit et il y a eu l'attaque 6 heures la même nuit. Donc, vraiment, tout donne à croire que, en fait, ils étaient de connivence avec ces La dame, en fait, donc, des, des à certains de ces terroristes, ils ont été retrouvés chez elle. Voilà un garde national qui avait servi aussi à Bani bogou Oui, celui-là, en tout cas, il, est présenté comme étant euh, technicien ou vraiment qui a eu euh, à faire tout, le planning de l'attaque. Il a été retrouvé parmi les affaires. Monsieur le préfet, quelles sont les actions que vous menez en vue de sensibiliser les populations pour leur collaboration au retour de la stabilité dans la zone il y a de cela deux semaines, en fait, nous avions mené une, caravane de sensibilisation sur la paix et la sécurité dans le département de Banumbango. Nous avions vraiment euh, entretenu euh, les populations sur la nécessité d'une collaboration avec les forces de défense et de sécurité et l'administration afin de, mettre hors l'état de nuire tous ces terroristes qui s'infiltrent au Niger. Ces terroristes ont l'arbre principalement au Mali, notamment dans la zone frontalière avec le Niger. Et vraiment, ils ils opèrent des actions, ils opèrent tant au Mali qu'au Niger et nous avons sensibilisé les populations sur la nécessité de leur pleine implication pour participer à la sécurité et faire de la sécurité une action totalement citoyenne, laquelle chaque citoyen donc euh, est tenu donc euh, de participer. Hier, vous avez aussi reçu des parlementaires euh, nigériens. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire J'ai reçu le député Karijo, donc le député élu au titre du département de Banibangou. J'étais avec une délégation. L'ancien responsable donc euh, du poste administratif de Banibangou, il y a de cela quelques années, et beaucoup d'autres frères qui sont venus vraiment compatir euh, suite euh, donc à ces événements tragiques. Et ce sont et vraiment ils nous ont transmis les salutations des présidents de l'Assemblée nationale du Niger, de l'ensemble des députés nigériens et ils nous ont exprimé tout leur soutien à, nous, administration et aux forces de défense et de sécurité du Banibango. Nous en sommes très reconnaissants et nous avons, ensemble avec eux, prononcé une fatia sur le tombes de nos illustres disparus, euh, les forces de défense et de sécurité victimes de l'attaque terroriste. Ibrahim Malik, préfet de la localité de Bani La victoire de Donald Trump a suscité plusieurs réactions, vous le savez, après celle de la société civile nigérienne. Vous avez entendu dans notre édition d'hier les réactions des partis de l'opposition et des non-affiliés. Aujourd'hui, nous vous proposons celle de la mouvance au pouvoir. Écoutez à présent Isaka Siraji, secrétaire à la communication du mouvement patriotique pour la République MPR Jamouria pratiquement tout le monde, nous avions constaté l'élection de M. Donald Trump. Ça, je pense très bien, ça concerne d'abord les Américains. nous pensons que cette élection va créer les conditions d'un rapprochement contraire à son discours de l'Amérique vis-à-vis du monde entier. Parce qu'il n'y a aucun État, quelle qu'en soit sa puissance, de penser peut-être évoluer seul ...à marge de la communauté internationale. Je pense qu'il a fait un discours euh, un peu populiste pour accéder au pouvoir, mais la réalité du pouvoir est toute autre. Je ne pense pas que son discours va être exactement conforme à la réalité des Américains. Donc ce qu'on attend d'eux, c'est la poursuite de coopération entre les États-Unis et les pays africains, dans notre pays en particulier, la coopération entre les États-Unis et le reste du monde, comme j'avais dit tantôt. Et nous pensons que le reste, c'est aux Américains de continuer le commentaire parce que c'est eux qui ont choisi Donald Trump. Vous ne pensez pas que ça peut apporter des changements vis-à-vis des pays pauvres comme les pays africains, surtout le Niger personnellement, je ne pense pas qu'un État, un pays ou bien les pays, comme on dit traditionnellement pauvres, doivent toujours attendre leur avenir soit euh, lié à quelque mutation politique quelconque. Non. Au fait, ce qu'on parle à ce niveau, c'est un peu l'équilibre mondial. C'est vrai, les élections aux États-Unis ne concernent pas que l'Amérique, ça concerne pratiquement le monde entier parce que c'est la première puissance mondiale. Il y a beaucoup de choses comme ça, c'est à leur niveau que ça affecte le monde. Si on arrive donc à avoir des dirigeants un peu stables, le monde sera stable. Il va de soi aujourd'hui des inquiétudes que vous constatez un peu partout dans le monde et même dans les grandes démocraties suite à l'élection de Donald Trump, c'est des inquiétudes un peu fondées au regard de son discours de campagne. Mais nous, nous sommes de ceux qui croient que c'est un politicien. Il a créé son discours pour toucher, en fait, les Américains profonds pour qu'ils puissent accéder à la Maison Blanche. Mais la réalité du pouvoir est toute autre. Aucun dirigeant au monde ne peut prétendre à, à gérer une nation avec des propos un peu xénophobes, à caractère euh, euh, discriminatoire. Donc je pense qu'il a utilisé sa conception propre à lui. Vous avez vu, il a complètement même détourné les sondages parce que eh, il s'est rendu compte que les populations profondes sont un peu déconnectées de la réalité de l'élite au niveau du pouvoir central. Et il a utilisé ça pour contourner tous les obstacles. Mais quant au rapport des États-Unis, c'est un système. Un homme ne peut pas être plus fort qu'un système. Il y a certaines choses, il est obligé de suivre, il est obligé de regarder les choses évoluer. je pense que c'est ça, c'est à quoi on va peut-être assister. Donc nous, en tant que citoyens nigériens, comme on dit, ça, ça ne concerne que les Américains. Et on doit en aucune façon lier l'avenir de notre pays, le Niger, à ce qui se passe aux États-Unis. Ou peut-être eux, ils ne <laughs> savent même pas l'existence de nous. Donc par conséquent, nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, comment créer les conditions nous-mêmes accéder ou bien accélérer le développement de notre pays et créer les conditions d'un partenariat équilibré. Aujourd'hui, quand vous regardez le phénomène de l'immigration, un peu partout c'est décrié. C'est difficile comme ça qu'un pays continue à de recevoir un nombre de gens qui ont d'abord des cultures trop différentes, des de l'éducation trop différente. Il y a le phénomène de criminalité, il y a beaucoup de choses comme ça qui affectent leur société. Il va de soi que chaque État puisse faire cette politique. C'est nous aujourd'hui qu'on voit que ce n'est pas normal de refuser aux gens de venir chez nous. Mais là-bas, ils ont, ils ont atteint un stade où vraiment c'est inquiétant. Donc, euh, par conséquent, l'appel que nous lançons aux dirigeants africains, c'est de créer les conditions pour créer l'emploi, créer la richesse à l'intérieur de leur pays pour que les citoyens africains et les citoyens du tiers-monde ne puissent pas quitter leur origine pour aller à des destinations inconnues. Euh, cela me paraît euh, juste pour, pour des pays qui, qui adoptent vous savez, Je crois que c'est un message. La coopération nigéro-américaine, qu'est-ce que ça peut devenir Nous pensons que Donald Trump, chez eux, oh, les citoyens accordent leur suffrage sur la base d'un programme. Il y a quelque chose sur la base duquel on arrive à convaincre les électeurs. Euh, ma foi, ce que les élections aux États-Unis, certes, on dit que ça, ça concerne pratiquement tout le monde, mais ne doivent pas en aucune façon être une préoccupation profonde de nos États. C'est-à-dire, c'est comme si on lit le, développement de notre pays aux États-Unis. Or, c'est absolument faux, c'est archi faux. Voilà. Donc, il faut qu'on se concentre pour véritablement construire notre pays. Il faut que les dirigeants qui sont en place et ceux qui vont venir et toutes les générations puissent se convaincre que le développement, c'est à l'interne. C'est le peuple qui crée les conditions de la richesse au niveau d'un pays. Et c'est bel et bien possible. Ce n'est pas quelqu'un qui a construit les, les États-Unis, c'est les Américains. Donc de la même manière, nous-mêmes ici au Niger et un peu ailleurs partout en Afrique, on peut créer les conditions pour développer nos États. Propos recueillis par Soumana Amadou. Avec l'élection du républicain Donald Trump à la présidence des États-Unis, des réactions continuent à Niamey. Les opérateurs économiques, comme bien d'autres, s'interrogent à l'issue de ces élections américaines sur la suite de leurs affaires à travers la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, selon Yacouba Dammaradi, président importateur-exportateur du Niger. Rien n'est à craindre pour les Africains et les Nigériens pour exercer leur commerce pourvu qu'ils fassent tout dans les règles. En effet, une quarantaine de pays sont éligibles à l'AGOA et ont la possibilité et la facilité d'accéder aux marchés américains. Yacouba Dammaradi Radi, président importateur exportateur du Niger, trésorier général Chambre de commerce du Niger. Écoutons-le. Je commencerai d'abord euh, par féliciter M. Trump euh, pour son élection, pour son élection surprise, comme les gens aiment le dire. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'élection surprise. Donc, les Américains ont décidé de le mettre à la tête de leur pays. Maintenant, on ne peut que prier pour que cela soit profitable aux Nigériens, à l'Afrique, à l'islam. Donc, euh, j'allais dire que, euh, sincèrement, à mon âme et conscience, sur le plan commercial, je suis pas peur d'un Donald Trump président. Plutôt, je m'en réjouis, et puisque quand même, il est un opérateur économique. Et je pense que, étant un opérateur économique, il va garantir euh, la croissance de son pays. Et son pays ne peut croître que à travers les autres commerçants avec les autres pays, dont le nôtre. Donc la loi dont vous voulez parler, la loi est instaurée par une loi. Et vous savez, aux États-Unis, euh, les lois sont sacrées. Donc une personne, un individu euh, ne peut pas venir tout bouleverser. Ça ne se passera pas. Il faudrait que les uns et les autres se rassurent. C'était un thème de campagne. Donc euh, il a bien utilisé son thème qui lui a permis quand même d'accéder au pouvoir. Et moi je pense que si vous avez suivi son premier discours, déjà la tension a commencé à s'étancer parce que le réel politique est là quand même. Moi, je pense que les Nigériens n'ont pas à avoir peur, ni à travers la loi, ni à travers les relations qu'il y a entre les États-Unis, l'Amérique et le Niger. Et d'ailleurs, pour preuve, hier seulement, l'ambassade des États-Unis a organisé une table ronde donc, à laquelle j'ai participé au Centre culturel américain. Et on a parlé de ces choses-là. On n'a pas évoqué, si vous voulez, le problème ou la difficulté d'entrer des Nigériens aux États-Unis. D'ailleurs, on nous a éclairé sur la question. De quoi avez-vous parlé On a parlé des opportunités qui se sont offertes aux Nigériens depuis l'an 2000 et que les Nigériens refusent d'en bénéficier. Comment ça, ils refusent eh Parce qu'ils ne participent pas du tout. Donc, c'est vraiment une opportunité d'exportation de nos produits que nous offrent par les États-Unis. Ça veut dire que le produit nigérien, puisque le Niger est éligible, peuvent entrer sur le sol des États-Unis en franchise de toute taxe, que ce soit taxe de douane, que ce soit droit de douane, que ce soit TVA, on ne paye rien du tout. Bon, je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, les Nigériens, en fait les opérateurs économiques que nous sommes, nous ne rentrons pas dans un dynamisme qui peut nous permettre quand même de profiter de cette aubaine. Parce que vous savez, les Américains ne commandent pas un, ils ne commandent pas dix, ils commandent un millier. Et vous pouvez nous dire euh, quels sont les produits exportés aux États-Unis ici au Niger En fait, les produits euh, qui ont droit d'accès aux États-Unis, à travers la Goa, ils sont plus de 6 000. On ne peut pas les citer. C'est quel genre de produits Des produits euh, d'agriculture naturelle ou quoi Exactement, les produits, et même le pétrole. Même le pétrole. Les produits artisanaux, les produits agro pastoraux Vous voyez, tous ces produits-là euh, vous savez, le Nigérien, euh, l'une de nos difficultés, c'est que les gens, euh, quand ils ont l'information, ils ne veulent pas la partager. les Nigériens ne veulent pas s'associer. Moi, je pense qu'il faudrait que l'État crée les conditions pour que les Nigériens acceptent enfin de s'associer pour tirer profit. Parce qu'on ne peut s'enrichir hein, qu'à travers l'exportation. Quand nous exportons nos produits, nous faisons rentrer de la devise, nous faisons rentrer en fait, de la richesse dans notre pays. Mais pourquoi disent-ils que les Nigériens n'en profitent pas à travers les statistiques d'entrée, ils savent que l'Afrique, d'ailleurs, ben, le sous-saharienne elle-même ne représente pas grand-chose. Et le Niger euh, en particulier, l'exportation nigérienne représente euh, vraiment un infime euh, pourcentage. Est-ce qu'ils ont un chiffre Oui, je pense que le chiffre qui été donné, mais c'est très dérisoire. C'est à peine 2% du total de ce qu'ils veulent qu'on importe, de leurs besoins, je veux dire. parce que, en fait, rassurez-vous, hein, on peut difficilement atteindre le quota, si quota il y a, qui est réservé pour l'Afrique ou pour le Niger donc, euh, est-ce que euh, les exportations aux États-Unis, les fonds qu'ils rapportent euh, à l'économie nigérienne, est-ce qu'elle est conséquente, même s'ils ne sont pas nombreux ou pas L'opportunité, elle est là, elle existe. Si nous pouvons produire, nous pouvons nous organiser et aller vers les États-Unis, donc nous pouvons avoir des débouchés à travers la transformation de nos produits, à travers l'exportation de ces produits-là. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi il y a un frein et ça fait quand même depuis 2000, depuis les années 2000 que cela dure. C'est vrai, il y a eu une rupture pendant la période de, la fin du régime de Tanja, mais il y a eu une reprise après la prise du pouvoir de Issou. Combien l'exportation des produits euh, nigériens euh, apporte euh, à notre économie Bon, en fait, je ne l'ai pas en chiffres, sincèrement, mais je vous dis que c'est dérisoire par rapport à ce qui est offert en face. C'est-à-dire c'est comme si on vous offre 1000 et vous, vous êtes là en train de grignoter 2, voyez Alors que vous avez la possibilité d'aller à 500 à 600. Mais malheureusement, vous êtes là en train de réfléchir comment vous allez avoir deux. À ce jour, hein. sinon, en réalité, l'exportation aujourd'hui, c'est limite juste aux foires. Quand les dames, nos femmes entrepreneurs, elles vont, donc elles vont avec des produits à main. Bah, je ne sais pas, moi, elles se regroupent à 10, 15, 20 peut-être pour faire un conteneur. Ça, c'est dérisoire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'aller présenter au niveau des foires et exporter en grand pour que ça se ressente sur l'économie pour que l'État, à travers euh, la perception des taxes, l'État euh, ressente quelque chose. Et donc, euh, même s'il arrivait que la Goa n'existe plus, ça n'aura pas un grand impact sur notre économie Bon, en fait, vous savez, le Nigérien, moi qui vous parle, je suis importateur-exportateur, mais j'avoue que je suis beaucoup plus importateur qu'exportateur. Alors que l'idéal pour enrichir un pays, l'idéal pour stabiliser l'économie d'un pays, c'est en réalité d'exporter de créer les conditions pour pouvoir exporter, pour pouvoir transformer d'abord et pouvoir exporter ensuite. C'est ça qui va nous rendre riches. Les autres nations qui sont riches, elles sont enrichies à travers cela. Alors là, on voit des magasins partout, des produits des États-Unis, euh, il y en a plein. Est-ce que ce n'est pas plus important que le fait d'exporter Exactement, c'est une opportunité qui nous est donnée par les États-Unis pour inverser cette tendance. Je sens que, en tant que femme, vous voulez indexer les produits cosmétiques. C'est de cela peut-être qu'il s'agit. C'est les produits cosmétiques, les produits beaux au Ce sont ces produits-là qui nous viennent des États-Unis ou alors les véhicules. Mais sinon, les Américains nous ont offert la possibilité à nous, Nigériens, d'importer nos produits sans payer de la douane chez eux. Mais c'est très important cela. Donald Trump, dans son programme, disait qu'il allait expulser 2 millions d'immigrants des États-Unis. Est-ce que c'est aussi dire qu'ils euh, vont supprimer les visas pour euh, les autres pays, euh, notamment les pays d'Afrique Si cela arrivait, est-ce que ça aurait un très grand impact sur notre économie le fait que Donald Trump ait dit qu'il allait expulser 2 millions d'immigrants, en réalité, un, d'abord, il parlait de l'immigration illégale, et je pense que la plupart des Nigériens qui sont là-bas, ils sont allés avec leurs papiers. Sûrement qu'il doit y avoir quelques-uns qui ont dû tromper la vigilance du consulat américain pour aller, mais je vous dis que c'était un thème de campagne. Et la campagne, elle est terminée. Aujourd'hui, Donald Trump est élu président des États-Unis. Point. Il est obligé de s'amender. Il va s'amender, vous allez voir. Et je vous dis que nous avons échangé avec Charlotte Lawrence, consul des États-Unis au Niger, qui nous a parlé de l'affaire de visa. Elle dit que autant nous avons besoin d'eux, mais ils ont aussi besoin de nous. Ils veulent nous aider, c'est vrai, à travers l'AGOA, euh, en faisant entrer nos produits avec toute franchise de droits et taxes. Mais quand même, au-delà de ça, ils ont besoin aussi de notre argent. Parce que le visa, il ne se donne pas gratuitement. Il faut 160 dollars pour avoir le visa, environ 95 000 francs. Et au-delà, quand nous partons là-bas, nous prenons des hôtels, nous mangeons, nous, nous circulons. Ne voyez pas que le Niger est pauvre, ils ont besoin de ces petits sous-là. Je rassure les Nigériens que la coopération va continuer avec les États-Unis, que l'AGOA va aller à son terme jusqu'en 2025. Seulement, il faut être à règle. Les États-Unis ont horreur d'une chose, ils ont horreur qu'on leur manque. Quand vous cherchez le visa, essayez de ne pas présenter des faux documents. Là, quand vous le faites, je vous dis que la pénalité, c'est au moins 10 ans. Donc, si vous les rassurez que vous allez pour un commerce et que vous allez revenir, vous allez pour une affaire et que vous allez revenir au Niger, donc euh, vous avez la possibilité d'avoir leur visa B1. En fait, ils ont plusieurs types de visas. Donc le B1, donc c'est un visa d'affaires. Ils vous le donnent pour un an avec entrée multiple, mais avec un séjour de pas plus de trois mois aux États-Unis. Donc tout va bien. Oui, sincèrement. Il suffit seulement qu'on soit correct. En marge de la visite de prise de contact euh, hier entre euh, le ministre euh, des Finances et le personnel de la Direction générale des impôts, le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts a expliqué que l'interventionnisme politique et l'insuffisance de moyens constituent aujourd'hui le plus grand dénominateur commun pour les agents de l'administration des impôts, selon le coordonnateur de la, de la voix des 100 voix Nassirou Seydou pour une meilleure mobilisation des ressources de l'État, le ministre des Finances doit leur donner la garantie de ne pas exécuter un ordre manifestement illégal d'où qu'il vienne. Nassirou Seydou, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, le coordonnateur euh, de l'ONG La Voix des Sans-Voix. Le ministre des Finances a eu à rencontrer plusieurs euh, services relevant de son département ministériel, tels que la douane, les trésors, la DGI. Et partout où il est passé, le maître mot dont souffrent les agents, c'est hein, le manque de matériel. Il déplore aussi l'interventionnisme politique. Ça veut dire quoi, Nassir Seydou, concrètement oui, la rencontre en elle-même est une très bonne chose. C'est un exemple de la gouvernance dans le sens d'améliorer un peu la capacité de notre administration à produire encore plus. Le franc-parler des deux côtés, et du ministre et du côté des travailleurs des impôts, doit normalement stimuler un exemple à tous les niveaux de l'administration. Les gens ont parlé de ce qui les bloque. Ils ont dit au ministre, ils ont des problèmes dans le cadre de la mobilisation parce qu'il y a l'intervention de ceux-là en politique. J'ai ministre qui est nommé, j'ai un autre ministre, j'ai un député, j'ai en tout cas tous ceux qui font la politique interviennent pour faire en sorte que les recettes fiscales baissent. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ils ont parlé des moyens logistiques financiers dont ils ont besoin pour accomplir bien leurs tâches. Il a pris des engagements. Mais le plus important, ce que les citoyens attendent, c'est du côté de cet aspect politique. Il peut mettre à l'association des agents des impôts les voitures, les agents des impôts, tout ça. Et la promis, il va en recruter, on, va en recruter. Mais le goulot d'étranglement exactement, c'est comment taire l'influence de la politique sur la mobilisation des ressources. À titre d'exemple, tous ceux qui ont aujourd'hui les immeubles, et je voudrais parler des grandes maisons, l'immobilier à Niamey, c'est les hommes politiques. Et ils ne payent pas d'impôts, on le sait. Maintenant, quelles dispositions le ministre va-t-il prendre pour créer les conditions que les agents des impôts aient les mains libres pour poser leur empreinte sur le foncier au Niger Et l'État aura de l'argent, c'est sûr. Ce n'est qu'un exemple que j'ai pris comme ça. Selon vous, euh, qu'est-ce que le ministre doit faire ou bien qu'est-ce que le gouvernement doit faire euh, pour euh, que les agents des régies financières puissent effectivement mobiliser les ressources internes de l'État Il doit leur donner la garantie de ne pas exécuter un ordre manifestement illégal, comme on dit, d'où qu'il vienne, et de pouvoir dénoncer toute interventionnisme politique. Et ça, je crois que c'est le travail du syndicat. Ils ont fait ça publiquement, on a vu. Et le ministre et le secrétaire général du Sinaï, je l'ai entendu, ils ont parlé. Donc les agents aujourd'hui, quelle est leur garantie Quand vous recevez un coup de téléphone d'un ministre, de la présidence ou de, de la primature ou de l'Assemblée nationale, vous dénoncez au syndicat. Le syndicat va prendre la parole. Lui qui ne doit pas avoir peur de dire, un tel, on le nomme, est intervenu pour telle ou telle affaire et nous avons arrêté. Voilà pour moi le mécanisme par lequel tout le monde va se retrouver dans son petit trou et se taire et payer ce qui revient à l'État. Mais tant que ce n'est pas ça qui sera fait, je ne pense pas si les gens pourront vraiment atteindre l'objectif. Nous savons très bien que notre pays a besoin de ressources à mobiliser aujourd'hui. Et la plupart de ces ressources, et le ministre l'a dit, sont engrangées par les agents au niveau de la douane, au niveau du trésor, au niveau des impôts. Tous ceux qui mobilisent l'argent, on le dit dans la rue, mobilisent généralement pour eux-mêmes. Ça, c'est un langage courant, vous, l'entendez bien. Donc, même eux, pour leur propre crédibilité et pour montrer aux populations qu'ils ne sont pas en train de dilapider les biens publics, mais au contraire, on leur fait dilapider, ou bien c'est les autres qui dilapident et ils endossent la responsabilité. Ils doivent aujourd'hui, pour tout interventionnisme politique, sortir et dénoncer. Avec des noms clairs. Et personne, je suis sûr, même le président de la République ou le Premier ministre ou le président de l'Assemblée ne va accepter qu'on dise son nom qu'il est intervenu pour telle ou telle affaire au niveau des impôts ou, quelque part. Nassir hier, le secrétaire général du Sinaï l'avait révélé et ils ont même cherché à rencontrer le président de la République euh, par rapport à euh, cette euh, histoire d'interventionnisme politique. Bon, moi je ne sais pas quel est le mécanisme hiérarchique qui doit exister entre un syndicat ou le président de la République, mais je suis convaincu que leur personnalité de tutelle, leur représentant de tutelle, c'est le ministre. À la limite où, quand les gens vont en haut, voir le Premier ministre. le président de la République est quand même le chef suprême de l'administration publique nigérienne. C'est ça, j'ai dit, je ne sais pas si les choses s'empirent dans les normes des choses, si le syndicat doit aller jusqu'à voir le président de la République. Mais aujourd'hui, il est très clair. Le ministre des Finances qui agit avec ce pouvoir délégué par le président de la République en sa personne, a pris des engagements vis-à-vis -vis de ses agents des impôts. Et je vous dis, il appartient seulement aux agents des impôts, eux aussi, de se comporter correctement et de dénoncer toute pratique, d'où qu'elle vienne. Et ça, je pense qu'un agent ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas très sécurisé pour le faire, mais le syndicat peut le faire. Ils sont combien les agents des impôts S'il y a interventionnisme à Mada ou à Terra ou à Loga, l'agent appelle le syndicat des impôts et informe. Et le syndicat sort pour dénoncer lui qui a la capacité de le faire. Et je vous dis, si on fait ça, personne, aucune personnalité de ce pays ne va prendre le risque d'intervenir. Je vous ai pris l'exemple seulement du foncier. Parce que c'est aujourd'hui un aspect totalement abandonné. L'État ne prend aucun franc sur les fonds. Alors que c'est là-bas où on peut engager des milliards. Mais c'est les grosses pointures, c'est ces hommes politiques qui ont les maisons. C'est pas toi, c'est pas moi. Mais aujourd'hui, si l'État prend des dispositions, la garantie que le ministre leur a donnée de toucher partout pour mobiliser les ressources, ils doivent même le faire avec zèle, moi je pense. Ils doivent le faire avec zèle et créer les conditions que l'État rentre dans ses droits. Maintenant, la plus grosse garantie qu'ils ont, c'est ce message, c'est cette rencontre qu'ils ont faite avec le ministre publiquement. Le monde a vu. Le jour où le ministre va faillir, les agents des impôts doivent sortir pour dire que c'est une rencontre de plus. Elle n'a servi à rien. Ils doivent dénoncer. Comme ça, si un autre ministre va venir, il ne va pas sortir pour faire des choses comme ça. Si on sait que on ne peut pas créer les conditions pour accompagner les agents des impôts à faire le travail, on ne doit pas sortir pour faire en sorte que les gens comprennent. Ça va s'apparenter à du populisme et on n'en a pas besoin au Niger. Hier, euh, le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts a également euh, déploré le fait que des grosses sociétés telles que la CNPC, Somaïr, Cominac, RTL Niger, Orange ne payent pas d'impôts. Comment est-ce que vous trouvez euh, cette problématique C'est très dommage, c'est très regrettable qu'on me dise que si NPC, Orange ou quelque chose ne paye pas d'impôts alors qu'une femme qui a sa petite boutique en face de la maison paye des impôts. C'est regrettable, c'est dommage, c'est injuste et cela doit se corriger. Et je pense qu'on ne peut pas le corriger tant qu'il n'y a pas je suis d'accord avec des gens qui parlent de prise de conscience réelle au niveau des agents des impôts et qu'ils fassent de leur travail, qu'ils comprennent qu'ils soient les maîtres d'œuvre de leur propre travail et que si il décide de le faire, personne ne peut leur empêcher. Moi, c'est ma conviction à moi. C'est comme les magistrats, quand les gens se cachent il n'y a pas de justice. Moi, je suis sûr, si les magistrats décident d'asseoir une justice saine, ils ont les moyens de se protéger et de protéger la justice. Même les agents des impôts, je pense la même chose. Surtout que le ministre a déjà fait la rencontre. Cette rencontre-là, elle, elle, sera historique. Il a dit ce qu'il pense des agents des impôts. Quelque part même, il les a accusés. Quelque part, il a dit la vérité. Eux aussi, de leur côté, ils ont accusé l'État, ils ont dit la vérité. Maintenant, nous attendons de l'impact de cette rencontre. L'impact de cette rencontre, c'est que tout ce qui n'est pas franchissable, tout ce que les agents des impôts ne peuvent pas toucher auparavant, aujourd'hui l'agent des impôts doit oser toucher. Si une barre de fer sort pour empêcher que l'agent des impôts touche, là le peuple saura. Et on saura que les gens ne sont pas prêts à faire la transparence, à mobiliser l'argent de l'État. Et la faille est venue du côté du ministre ou des hommes politiques qui ont intervenu et non des agents des impôts. Il faut qu'ils prennent conscience de se laver d'abord. Parce que de par la rencontre, on a fait comprendre aux gens comme si les agents des impôts, eux aussi, comme je l'ai dit, mobilisent pour eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils sont à l'œuvre, nous les observons. Ils ont le droit d'amener les impôts à Orange, à CNPC et d'exiger qu'ils payent. S'ils ne payent pas, on n'est pas syndicaliste pour rien. Le ministre euh, des Finances a eu à dire aussi aux agents que quelqu'un qui ne travaille pas va être sanctionné. Il peut perdre son poste, il peut même aller au-delà. Ça veut dire quoi concrètement Oui, ça veut dire tout simplement, j'ai compris, il veut appliquer les lois et règlements de la République sur l'administration. Tout le monde a dit qu'au Niger, on ne travaille pas, on ne travaille pas. Le Premier ministre a rencontré les DRH. Le président de la République a fait plusieurs discours sur ça. Ça n'a pas marché. Et tout le monde est d'accord que c'est parce qu'on n'applique pas les lois et les règlements de la République que les, les agents de l'État font ce qu'ils veulent. Même ceux qui ne mobilisent pas les ressources ne travaillent pas. Ceux qui mobilisent les ressources, la plupart font ça pour eux-mêmes. Donc, si le ministre aujourd'hui s'engage à dire que les lois et règlements de la République vont s'appliquer sur tous ceux qui vont enfreindre à la loi, moi je pense que c'est une chose à accepter et à encourager par tous ceux qui veut ce pays. Mais ça doit être fait dans la plus grande justice sociale, ça doit être fait de la plus grande transparence et les plus méritants doivent aussi être récompensés. Mais si la loi s'applique avec faiblesse, ça ne peut pas aller. Et la loi doit s'appliquer sans protectionnisme, sans interventionnisme. Ceux qui détournent l'argent de l'État qu'ils ont mobilisé doivent être sanctionnés. Pourquoi pas poursuivis Pourquoi pas relevés comme tous les autres agents de l'État qui ne travaillent pas bien, doivent connaître la rigueur de la loi. Et c'est comme ça seulement qu'on peut faire en sorte que notre pays se redresse. Mais je souhaiterais que ça ne soit pas seulement au niveau des ministères des Finances, parce que ce n'est pas le ministère des Finances seulement qui a des problèmes. Ce que Hassoumi a développé en tant que ministre des Finances, c'est le problème de toute l'administration publique nigérienne. Les 42 ou les 43 ministres qui sont en exercice, chacun dans son ministère a ce problème de travail. Je pense que les gens doivent imiter l'exemple qu'il a fait il parle avec les partenaires, les syndicats de son secteur, créer les conditions que les choses reprennent très bien le chemin. Par exemple, l'école aujourd'hui, elle est à terre. Il y a des problèmes au niveau de la santé. Ces deux secteurs stratégiques aujourd'hui doivent emprunter le pas à ce que le ministre des Finances a fait et créer les conditions que les enfants des pauvres aillent à l'école. Que l'école publique et un langage de vérité entre les partenaires, entre tous les acteurs. Les syndicats, quelle est leur responsabilité L'État, quelle est ta responsabilité Finalement, les deux, laissez pardon l'enfant des pauvres aller à l'école, laissez l'enfant des pauvres, comme vous avez eu à profiter de cette école publique, lui aussi profiter. Mais je pense qu'on ne peut pas s'arrêter seulement au secteur des finances parce que l'argent est à mobiliser. Il y a des secteurs sociaux plus vitaux que le secteur de finance. Et parce que c'est là-bas qu'on construit l'avenir des hommes, c'est là-bas qu'on construit l'avenir d'un pays. Parce qu'un penseur a dit que si tu veux détruire un pays ou totalement le mettre à terre, il ne faut pas amener des chars, il ne faut pas amener des mitrailleuses, il faut seulement attaquer son système éducatif. Tu le détruis. Dans dix ans, tous les dirigeants seront des voleurs, les, populations, les citoyens seront des ignorants, et tu as fini avec le pays là, tu as gagné la guerre. Je pense que les gens doivent prendre conscience et c'est dire que l'État n'a pas seulement besoin de mobiliser l'argent, l'argent public, mais l'État a besoin d'asseoir une gestion saine aussi dans les secteurs sociaux vitaux tels que l'éducation et la santé pour que le pays vraiment engrange son développement économique, social et politique. Nassir Seydou, peut-être une dernière question. Faut-il euh, comprendre l'intervention du Hassou Massoudou comme étant une menace ou bien une interpellation Bon, je ne sais pas comment les citoyens vont... Vous savez, dès même moi, quand je parle, les gens, chacun aura sa compréhension de ce que j'ai dit, à plus forte des ministres de la République. Vous venez d'entendre Nassiro Seydou, la voix des sans voix. Une information de dernière minute, nous venons d'apprendre que notre compatriote Mohamed Moussa a été élu directeur général de la SECNA dès le premier tour. Il succède ainsi au Malien Amadou Guita à la tête de l'agence multinationale forte de 6000 salariés ressortissants des 18 pays dont la France. C'est le Niger qui gagne avec lui la diplomatie qui aura convaincu les autres pays à lui faire confiance. Fidèles auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'être restés en notre compagnie. Au revoir et à très bientôt. うん。